mbokki Sénégal man Ahmadou Diop seen fidèle chroniqueur mbokki Sénégal man Ahmadou Diop seen fidel chroniqueur hebdomadaire ak seen serviteur moo leen nuyu ci sunu waxtaan wi ñuy tuddee xew réew mi nga xam ne maa ngi leen ko fas yéene defal talaata bu nekk bu ma fi yàlla bàyyee bu leen fi yàlla bàyyee à partir de 17 heures GMT heure de dakaar soit 19 heures heure de Paris xam ngeen ko duutu leen ko jaawaatle ñu leen koy defal à notre radio Sunker FM la première radio panafricaine Californie ci Los Angeles c'est une radio exceptionnelle bu de renommée internationale kon 19 juin 2018 sunu waxtan wi ñu la communauté internationale musulmane à laquelle nous appartenons dafa célébrer la semaine dernière le mois béni tout le mois dañ doon observer une pause le mois de dévotion, de pardon et de partage. Voyez, fi mu 19 juin 2018 nous reprenons donc du service inchallah Dieu merci Nda qui nga moom la fal par suñuy étourderie massive généralisée à l'échelle nationale ci 2012 dafa sol mbaxanaam seytaane te bew fuuy moom ci di la mas nekk ndax ci loolu la mas a nekk ndax bis bu yàlla sàkk su korite amee tabaski am décembre am day ëppal ci la grâce présidentielle ndax pays yi nga xam ne démocratie moo fa am justice am fa loolu dañ koy def de façon exceptionnelle quand tous les recours sont épuisés waaye baadoolo bi nga xam ci wor la dëkk guddi ak beccet daf koy def une arme politique melni dafa am empathie manam yërmande ci nit ñi mo neuy alors que normalement dans un état régalien qui le prouve matériellement sur le terrain la justice mo wara def lolu di atte ndax justice bi dafa indépendante libre et souveraine Voyez, le despote encombrant se substitue à elle ndax grâce présidentielle qui la nekk mu le clientélisme cataclysmique politique ndax badolo bi Y'a na ne man naa nax le bon Dieu le miséricordieux le clément maître de l'univers du ciel et de la terre nga xam ne lépp looy dox lépp luy dox yàlla moo ko moom ci moo koy doxal ci ndigalu ndax du tàggu comme d'habitude bala nuy tàmbali sunu waxtaan wi yéen waa senegaal ak sénégalais ak sénégalaises yi nekk ca biir réew ma ak sénégalais ak sénégalaises yi nekk ci bitim réew ñu leen di tudde les sénégalais de l'extérieur noo ngi leen di nuyoo ti di leen sant ak di leen gërëm te leen sargal ci déglu bi ngeen nuy déglu yi seen yitte yépp kon gàcce ngalama yéen waa Sénégal amu leen moroom noo ngi joxoti njukkal à tous nos auditeurs ak auditrices góor ak jigéen mag ak ndaw fàttewuñu kenn te noo ngi remercier aussi tous les intervenants yi nga xam ne kenn demul ñu les meilleurs sentinelles du Sénégal buy def seen waxtaan nga xam bokku bokk nañ ci ñu l'info autrement ñu koy def altine ak alxames à partir de 16 h GMT heure du Sénégal góor yi yënguñu ci ci la ñu dëkk guddi ak bëccëg ndax dañoo am yërmande te ay patriot de haut niveau lañu dañuy tollanti samedi bu nekk ci waxtaan wu ñu tuddee en toute objectivité loolu doyut dimanche bu nekk ci loolu lañu nekk ñu indi beneen waxtaan ñu tuddee ko la voix des jeunes maanaam baatu ndaw ñi ak yoonu ndaw ñi kon gor yoyu wax deug yalla duñu tayé ndax bu dañuy def des réflexions remarquables prodigieuses yo xamné ñu koy tabal ci bop sénégalais à travers les ondes de notre radio Sunuker FM la première radio africaine panafricaine de renommée internationale nek Los Angeles

te loolu bu soobee yàlla dinañ ko corriger ndax li nu bëgg mooy ñu fexe ba un contre pouvoir am fii contradiction am fii séparation des pouvoirs am fii ñu jox suñu réew mi ay gor moo ko war a jiite waaye baadoola boo ko joxee pouvoir bi baadoola bu mel ni moom la koy jox te loolu moo fi nekk te li koy symboliser muy le mal endémique mu ki nga xamné waia workat bu mag la waaye yaakaar na nax yalla ndax da ci def pédagogique nga xamné ni muy doxale sunu réew mi ku di la c'est un négationniste Bo xamné ne amut lenn lo xamné man nako envier qui Goebbels ndax moom bés bu yàlla sàkk day érigé wu piteusement par ses pantalonnades et ses mensonges cousus de fil blanc muy kii nga xam ne dafay nekk la ñu witt muy kii nga xam ne en chair et en os voyez, rebolote le tyran s'envole à travers la planète entière. où le traître, tribaliste, menteur professionnel, se cramponne dans ses litanies indécrottables. nga sa presse servile nous relier Madame, c'est cataclysmique c'est cataclysme nga c'est vérité mensongère sa propre vérité voyez la répétition est pédagogique il faut que nous réformer impérativement le régime présidentiel Nous remplacer ko par un régime parlementaire bu nous ko defut li fi rek fi un coup d'épée dans l'eau voyez, un dictateur servile len fi gis des xamné day daganal par son régime pandémique corrompu belle pagaille qui le duc ndax immoralité ethnique qui le nek mu comme système doctrinaire totalitaire mortifère ségrégationniste à visage découvert usurier intégralement négationniste d'apartheid te de dafa un affront ndax daf koy def ci xelam mu gàtt yaakaar ne mën naa fàtte ces parjures cataclysmiques ndax dafa bëgg a làq ses arrières ses arrières politiques ndax ci loolu la nekk parce que xam na li koy xaar kon kooku musta nekk un démocrate ndax day emprisonné à tout vent di seet xaj ak seen muy utiliser la force publique par la lâcheté nga xamné des ci alors que normalement si nous dans une démocratie avec une justice qui tourne à plein régime nous ci des du am jotu sax di wax di telli telli ndax dañ koy traquer ñu traîner ko dans la boue ñu am ko à Rebeuss au poignet sa place mësta Nek au palais ndax li tax président de la république ndax nekkut président de la république c'est un monarque autodéclaré il est venu au pouvoir par l'esclandre de ses milliards sorte de terre qu'il a volé kooku tay mo fi nekk di du di waaye voyez, yalla dako koo ndax da doon wax ne dafa bénéficier de privilèges relatifs à sa position d'ancien premier ministre voilà un archétype bo xamné ne def patriotisme ndax amout civisme ndax amout ben fibre d'honorabilité day and ak ay lam Manam c'est turiféraire coalisé nga ne la république cartilisée des chiffonniers ethniques qui ay invectives qui des insulteurs acclamés ndax des fauteurs de troubles à l'ordre public des ay comploteurs lañu menteurs professionnels profanateurs s'accaparent de tout confisque la démocratie, les libertés fondamentales de conscience de Ningue toute l'économie sénégalaise qui est totalement extravertie. Nous pouvons partager avec l'émergence coloniale de façon concomitante. dialogue dialogue yaay def se demokrasi ci say coobaray bop xam ngeen de koku jubut ndax luñ ko mëna waxal jubut ndax day utiliser par devers les vieux schémas décriés compatibles nga xamné ne aux méthodes fascistes nga xamné ay marchandage la ci def ak ay combine ndax yaakaar na ne da qui am des arrière-pensées politiques de caniveau te lolo wax deug yalla ñun ñi nga ño nek ci CPC ak suñuy gis-gis de la démocratie te bu de ko fi sept ans après presque ti de la Sénégal Sénégal gi gi nga bajantu ndax la misère galopante et le chômage endémique continue li ci l'augmentation des denrées de première nécessité et les coupures intempestives récurrentes du courant électrique xuy kamaj pas ko Il nako ndax atteindre des proportions démesurées sans compter les complaisances les factures de complaisance et le manque d'eau potable ou la cassure d'eau Nous ndox fum mu courant amou fa réew des day gën Nous une menace réelle pour la santé des populations Ouais, badolobi, bi yoonam Nous ci ndax manque courant am c'est une question d'insécurité waaye nag baadalo bi plan Sénégal émergent vous li nga que ne l'émergence coloniale en puissance ndax ku munte lijjanti sa les simples sempiternelles coupures d'eau les coupures intempestives récurrentes boo nee da plan Sénégal émergent yooyu wax deug yalla loolu day participer à des mensonges grotesques cousus de fil blanc te li nga xamné mo ci gëna doy war depuis 1960 ñu né sunu Sénégal gi avons indépendance wayé sunu Sénégal gi foot ay télécommunication kan moy jallalé la passerelle de ces télécommunications muy le gendarme colonial pire encore pays yi nga xam dañu am fayda am indépendance duñu tàggu kenn su fa des entreprises gazières et pétrolières dañ koy foqar ci nangu ko ñu nationaliser ko ndax dafa dagan ndax ñoo mom sen bop waye ki nga xam muy la servi day occulter la dépendance dynamique vis-à-vis de l'extérieur comme souveraineté amoufi, indépendance amoufi, indépendance monétaire et politique même amoufi. la singularité affreuse du paysage de l'échiquier politique sénégalais te gis nañ ko ci seeni platitude manifeste loolu renseigné ne que des intello, c'est des incultes yoo xam ne dañuy wor ndax ci loolu ndax dañuy te des te piteusement véritablement en abruti d'un camp à l'autre. À chaque magistrature obliquée carambouilleuse nga ne les symboles de la tartiforie nauséabonde ndax c'est une promotion sociale tant sa ci immoralité de bas étage nga de changer constamment ses trajectoire en fonction des rétributions financières selon la météo du moment au lieu que nous jouer ce rôle d'avant-garde une certaine servilité très loquace hier aujourd'hui faut changer sa carapace cette servilité se mue pour ses propres intérêts. Cela en dit long que, cette presse corrompue de la tête aux pieds jusqu'à la lit a une bonne moralité peu ou prou c'est une presse affreuse affluente nauséabonde pantouflard affamée par définition pourrie de la tête aux pieds ndax bis bu yàlla sàkk dañuy tàllal le. këll ndax dañuy def enquête de pitance permanente sauf piteusement en se dégonflant en se dégonflant à la place publique parce que dañ leen di engraisser loolu mooy wane finalement cette presse là est coupable ndax c'est une presse farandole ndax dañuy tàllal c'est këll loolu une déontologie professionnelle du moins une certaine presse qui s'en fout éperdument ndax dañuy piétiner allègrement les traitements objectifs des informations waaye dañuy cramponné ou di qui ci qui bassesse dégoulinante ndax dañuy contenté wu ci li ñu leen di digtal ñu koy défal le couteau sous la gorge en échange nous avons ay des miettes dans les caisses de l'État c'est triste et pitoyable et c'est honteux nga savez, finalement député Amoufi, c'est une bande de mafia Bo xam ay talibé lañu avons motuñu kilifa nous dañuy ignorer la notion d'État dans un état régalien transparence amphi, démocratie amphi, à l'instar des grands pays civilisés le gouvernement gouverne l'opposition s'oppose contre-pouvoir et contradiction sont indispensables dans un état régalien voyez ce n'est pas le cas pour le le caniche est pour cause ndax ay discours ci la nek guddi ak lolu moyone ne finalement ci lolu la ndax gis son discours sur le nazisme monétaire colonial xam ngeen ne patriotisme de un panafricain ndax déclaré par presse interposée mu la monnaie coloniale est bonne à garder loolu doyut quatre ans plus tôt BADOLOBI Dodon da yagari ñew 2012 ndax ci jamono joju tuba BI dañoo nekkon ci seni élection présidentielle muy Nicolas Sarkozy mu koy jox ay gage ndax do sèchement mu le retrait des troupes et bases militaires françaises relevait quelque peu d'un nationalisme mal placé dixit le même homme le fasciste l'apologie coloniale te gis son tome 1 de la déconfiture Tout tout ko pompeusement la conviction républicaine Mon œil, c'est un tyran loolu moy il est bien l'envoyé spécial colonial en Afrique attitré et accrédité à Dakar voyez le Sénégal gi lu un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance voyez, dans les pays africains surtout francophones les 14 pays là ay despotes ñoo di tenir ndax utiliser l'article 80 bidon désuet te ki nga mo doon wax rupture def muy Macky Sall na ay ci raison pour lesquelles raison yi nga mo ñu fal ko na ko ndax inverser les rôles par sa brutalité absconce te mu ngi ñuy invectiver te mu ngi ñuy offenser waaye bu ak lu mu mën a def te loolu conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew ñu gën ñoo xam ci sous l'acronyme CPC loolu danañ ko fi jële ndax lu mu ko jaral nan ko jaral te noo ngi diingat bu baax ci digg penc mi sunu digg penc mi la gestion népotique et gabégique du Sénégal par un parti politique une coalition de partis et une famille te noo ngi sans répit l'accaparement des ressources du Sénégal par une seule famille paresseuse avec son clan Nous avons de' des postes de haute stratégie Nous avons amené, un corporatisme ethnique sans éthique dans toutes les structures de l'État comme si les compétences et les expériences bidons des CV cataclysmiques se mesurent par les mêmes patronymes particuliers. Kokou conviction surréaliste d'un négationniste nga xam les affaires de la cité voilà il s'en fout moo le traître en chair et en os de Munkoï, matériellement sur le terrain du crime ndax par sa petitesse d'esprit c'est de la médiocratie Nda, les postes octroyés se conçoivent exclusivement à l'aune du bazar de la consanguinité ethnique et à la proximité de l'idolâtrie représentée par le binôme de mystification idiocratique te ñun ñi nga xamné nous ñoo ci CPC andu ñu ci te danañ ko fi jëlé te lu mu ko jaral nan ko jaral kon yeen gor yi leen conscience patriotique pour le changement xam sa rew bëgg sa rew Sénégal man nañ ko changer ndax le Sénégal gi mo ci gagné du ci ndax quand nous voulons nous pouvons changer radicalement notre pays dans le sens des progrès immenses à l'instar des pays civilisés ndax ensemble tout est possible nous avons toutes les ressources humaines li fi manqué moy bolo am mbooloo manqué ndax bu ñu ba nga

Voyez, notre radio Sunuk FM bi nga la première radio panafricaine nek Californie muy sunu radio exceptionnelle de renommée internationale su fi amutoon aduna tukki ndax toute critique minime soit-elle à l'encontre du tyran encombrant et passible de prison ferme te wax les fonctionnaires politiques véreux nga xamné mercenaires alimentaires lañu vivent vivre sur l'épaule de la république ñukoy ont ndax ay dag lañu ndax changer discours te lolu moy woné né suñu dëkk bi dafa manki njit manam dafa manqué kilifa un président de la République un monarque lañ un caniche lañ bougre de naissance Madame, un chef indigne de son propre parti politique cliniquement clanique ku doon wax ne buñ président de la République de ngay soumis ta casquette de secrétaire général kooku kat la Koku mooy wane ne lu mu wax weddi ko balaa tudd ci lalam ndax ñun ñi nga ci CPC dañoo considérer né nous réew réunis, il faut que nous teg dans la bonne direction Nous def ko en action matérielle de façon que nous soyons maîtres de notre propre destin ndax c'est à ce prisme-là que le Sénégal gii wax dëgg yàlla a retrouver sa dignité et sa plénitude et son rayonnement boo xam bâtir librement sur des bases voulues à l'instar des nations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 ndax su rajo bi briser les tabous ndax su rajo bi bousculer les idées reçues te su rajo bi day innover te su rajo bi populariser la démocratie ndax su rajo bi musta nekk les conventions ubuesques de l'establishment ndax su rajo bi bu su yàlla de plus en plus day inscrire toujours dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue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 ndax Sorayovi reste le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés comme la loi de l'Omerta, en particulier la gouvernance politique, bancale, ethnique que les médias serviles du service public à privé Nous avons aborder sujet yoyu les sujets qui fâchent ndax médias yoyu des instruments alimentaires politiques monopolisé par le pouvoir calamiteux tortionnaire nga xamné wax deug yalla média patriotisme te amuñu civisme ndax radio bi moy compenser bi des innovations multiples tant par la qualité des informations qui sont publiées sur notre site internet sunuker.com nga que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises à travers notre radio Sunuker FM bi nga de l'avant-garde du civisme et du patriotisme ndax ce radio de dafa la première radio panafricaine de renommée internationale nekk Californie ci Los Angeles ndax un panel d'intellectuels d'hommes et de femmes nous ñëpp possédé posséder de gros calibres ndax ñoom ñëpp dañoo doué ndax dañoo am matière ay matière grise te bés bu yàlla sàkk dañuy exprimer librement en toute conscience et en toute connaissance de cause nga xam ne bés bu dañuy démontrer magistralement seeni capacité intellectuelle ndax ñoom ñëpp dañoo nekk des têtes bien pleines ndax dañuy décortiquer di décrypter ndax dañuy font part de façon indépendante de façon libre dañuy une expertise avérée sur les produits toxiques chimiques notamment les faits divers scientifiques sanitaires sociaux religieux et politiques sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politicards véreux qui ont failli à leur mission régalienne ndax oublie la boîte de Pandore à certains citoyens égarés par leur manque de conscience ndax dañuy soulagé bés bu yalla sak aux abords des bâtiments te lolu c'est à l'image des politiciens yo xamné motax ñom ñu nekk ci seeni anarchie kon soyez plus nombreux ngeen di déglu gor yi wala ngeen di bok ci waxtaan wi nga xamné notre radio sunu kër exceptionnel muy su radio bu mag bi de renommée internationale ndax sun radio bi dafa massa nekk la radio la plus populaire bo xamné Reste l'éternelle cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises, aux vérités implacables aux bras d'acier, inestables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente, sans complaisance, ne souffrant d'aucune ambiguïté sur la chose publique au Sénégal. sommes au Sénégal qui nga wax Vous voyez, l'actualité politique est abondante ndax sommes marqués de plus en plus

et autour de Ndiaye Kemo pour cela nous devons faire de détermination Nous indi ci patriotisme indi civisme indi ci intelligence bu baax ku indi démocratie participative li nga xam ne mënta ñàkk muy la volonté politique de chaque sénégalais et sénégalaise Pour mu mën a nekk ci Dans bi Sénégal gi le phare de la démocratie plein développement économique politique militaire am sous sunu Sénégal gi assuré a la sécurité de ses frontières ak ay marchandises am waaye loolu du ma tàyyi di ko wax ndax vous bu mag bi nga xam ne fi nekkoon nga xam le mbindam mi ngi fii ndax yu bari bind Anta Diop le visionnaire hors pair l'éternelle figure de proue charismatique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 d'une icône hors pair nga xamné dafa nekkoon en avance de plusieurs siècles sur ses contemporains ndax Cheikh le scientifique le plus coriace de tous les temps de tous les temps Voyez, aujourd'hui face au mal force est de reconnaître que l'énormité de l'échec cuisant de l'Afrique résulte incontestablement de la médiocrité criarde d'une certaine stature satellite satellisé jusqu'à Lali nga xamné dañuy wé ci paradigme bu extérieur lolu mo indi la réalité de nos éternels déconvenus malgré les appels incessants du pied nga Cheikh ci la wax ak les décideurs politiques sont restés jusqu'ici sourds, muets et aveugles face au péril de l'Afrique

L'école les intérêts géopolitiques stratégiques évidents à savoir le gaz uranium du Niger pétrole nous avons pour contrôler toute l'Afrique francophone Nous ñu fait ko agenouer ndax pérenniser la domination coloniale Et nga Corée, fait maquiller sous d'autres formes

la répétition est pédagogique il faut que nous réformions impérativement le régime présidentiel Nous remplacer par un régime parlementaire il faut que nous travaillions suñu de façon que le Sénégal qui est un pays dynamique nous indi des principes démocratiques nous indi des institutions fortes inviolables respectées par l'ensemble des patriotes sénégalais imbus de la fibre d'honneur une gouvernance irréprochable am un état de droit pour amener le président de la république buñ un régime parlementaire day nek un symbole de loolu dafa une tâche primordiale pour amener. il faut que nous def il faut que nous créer les conditions obligatoires pour ramener d'une véritable gouvernance politique économique saine transparente attentive c'est ce que nous avons fait pour réunir le Sénégal pour toutes ces raisons il faut que nous ayons ci de véritable sentinelle sénégalaise impartiales, charismatique qui, suñu bopp une impulsion généralisée sur tous les plans il faut que nous cultiver le patriotisme la démocratie la justice sociale l'éthique l'équité l'unité nationale am sécurité en sans lesquelles dara du mën xew te li nga xam ne mënta ñàkk nga xam ñun ñi nga xam ño nek ci CPC ci loolu lañu ñu nekk muy ñun ñi nga xam ño nek ci conscience patriotique pour le Sénégal il faut que nous rehausser l'étendard de nos valeurs pour cela nak nous devons nous inspirer

Finalement, fa nekkoon un grand résistant qui fit mort les armes à la main nga xam da fa combattre tubaab bi pendant 24 ans malgré la supériorité numérique des envahisseurs te aussi ñu jàngale borom xam-xam yi nga xam ño fi ño fi nekk ndax bari na maanaam ñu jàngale Cheikh Anta Diop xam-xamam ak Mamadou Dia ak que encore ndax réew mi ñàkkut ay borom xam-xam. Voyez, sur le Sénégal tant que nous loolu sunu nous mi day gën a il faut que nous cultivions le civisme chez les populations ndax le civisme c'est que le réflexe décent de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société ndax le civisme c'est impliquer le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique en tant que citoyen à part entière nous avons ay droit da nga waroon ay droit ay ay devoir waaye de lobby ay droit rek la am te mom ci la nek goudi ak bëccëg lolou taxna ba nga xamne ne ñun ñi nga xamne ne nek ci CPC bokku nañ ci l'avant-garde yi nga xamne ne bëgg a ñi exclusivement sur la chose publique ndax ku yoro sa kër kenn du lo wax dara ndax ci lolou non ci def wax deug yalla une vaste campagne de sensibilisation massive bo xamne ne bëgg a nit ñi de façon que chaque citoyen sénégalais et sénégalais, fu mananek de pouvoir librement de son bulletin de vote nga xamné librement en toute conscience et en toute indépendance C'est ki nga ne tak ci dara te ko ci dara nga ne lañu fal ñu fal ko su scrutin nga lu wax tay bala tëdd ci lalam weddiko ko ay carte moko fal waye ay carte du ko fi jele ndax wor kat la il faut que ñu utiliser d'autres paramètres distinctifs des cirques électoraux te sunu Sénégal gi mënta génn ci les contingences mondiales obligatoires spécifiques à chaque peuple ndax sunu Sénégal gi mën a assouvir librement son propre destin ndax sunu Sénégal gi mën opérer à lui seul et de façon dynamique sa véritable rupture totale jëlé fi badolo yi ñu régler seeni compte comme niko pays civilisé yi di défé. ndax pays yi gën civilisé ci aduna bi ñom ci lolu lañu ñu nek. ku fit nekkon di di dëgg dañ lay dañ lay fad dugg la ci kaso bi wala ñu def la leneen waaye sunu Afrique gi surtout au Sénégal gi la a des références loolu gis nañ ko ci au plus haut sommet de l'État loolu tax ba nga notre radio sunu la première radio FM la première radio panafricaine Los Angeles muy sommes une radio bu Los Angeles Californie moo la radio la plus crédible par son patriotisme actif Dans son radio bi dafa des qualités exceptionnelles la qualité est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence de côté fi ci jëf ak ci jikko woon ko askan wi bu te la bi am les véritables sentinelles sénégalais s'expriment librement en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues ndax compensé. compensé par leur esprit alerte, la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe politique, politicarde, plutocrate, multimilliardaire des raccourcis politiques, dans les sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement à travers les ondes de notre radio sunker.com. Nous avons une logique crédible, patriotique, nationaliste, bien placée, nous avons amené ko dans les consciences sénégalaises pour que sunu Sénégal aille dans l'avant ndax Sénégal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 manam ak seeni loxo nga xam ne muy kii nga xam ne muy sàcckat bu mag bi nga xam ne warkat dëgg la te dafa fuuy te dafa bew te mës ta nekk kilifa ñu koy treseel séseologe imaginaire xam ngeen ne un fonctionnaire si riche n'est pas synonyme de patriotisme te loolu du ma taay di ko wax ndax mës ta nekk un kilifa ndax dafa mas a nekk un indigne indigène chef de parti politique cliniquement clanique te def na ko ci sunu digg penc mi te loolu kenn dutu ko werante ndax notre radio sunu kër exceptionnel gor ne ci wax nekkuñu fi rek di critiquer wala di ŋàññi wala di sànni ay xeer ndax bu proposer des solutions concrètes pérennes et durables tangibles ndax ñu fait créer un véritable Sénégal émergent totalement opposé à celui des manteries inflationnistes fascistes

Le 19 juin 2018 nous reprenons du service comme où sont donc le doyen du juge Massamba Sall et le procureur Serigne Bassirou Gueye C'est wax Vous na ndax bu dee keneen auto-saisir, autosaisir waaye affaire Macky Sall et sa bande de turiféraires dañuy yagar-yagari di yacharal te loolu kenn mënu ko weddi kon ñun ñi nga ne CPC bëgg sa sans condition l'ouverture d'une enquête sur l'affaire Mambaïna, les assassinats et les scandales surréalistes voyez la justice tenue à l'aise brille-t-elle par son silence coupable L'autre est C'est depuis sept ans face aux affaires scandaleuses du régime fasciste moribond de la décadence nga et ses escalades massives des assassinats torrentiels jamais élucidés la justice politique farandole, nommément instrumentalisé de la tête aux pieds, qui est fondamentalement discriminatoire de fond en comble, voué aux hégémonies totalitaires du despote workat mu cette justice là rend-elle vraiment des décisions convaincantes en toute conscience au nom du peuple par le peuple et pour le peuple ou s'accommode-t-elle du ndigal permanent venu d'en haut nous le croyons Madame, puisque c'est une justice hérétique ne s'aligne et s'exécute que ce qu'on lui dicte Madame, le couteau sous la gorge A à cet effet il est temps de dynamiter les verrous les tabous pour libérer les esprits de Lolo wax dëgg yalla un devoir moral de civisme et de patriotisme en action matérielle sur le terrain du crime quant à nous qui sont membres actifs de la conscience patriotique pour le changement Kham Sereo, Beg Sereo, Djerin solennellement nul et non avenu la loi scélérate sur le parrainage électoral Yo savez, mirum que le la est réfractaire à la démocratie pendant que les députés et non des députés aux ordres nous certifier la révision du code électoral portant sur le projet scélérat du, parrainage électoral cousu de fil blanc, lequel constitue une violation flagrante de la constitution moribonde, taillée sur mesure pour le président monarque. Oui, l'actuel bouffon, l'enfant terrible de la malgouvernance qui défrait quotidiennement la chronique continue ses escapades burlesques par sa désinvolture flegmatique sous le fallacieux prétexte d'un patriotisme hypocrite atterrit à Moscou avec une forte délégation. Et à l'occasion de la Coupe du Monde, soi-disant pour supporter en bandelière les lions de la Teranga. Et dont les contribuables sénégalais, oubliés, fatigués, criblés d'impôts et de taxes de toutes sortes, tous lassés et laissés pour compte sur les quais nous payer absolument les frais additionnels en continu te ils ont alourdir autant un gouffre financier grossier s'agit-il donc d'une récupération politique Évidemment, la réponse ne souffre d'aucune discussion possible. li nga vous l'imposteur déclaré voudrait-il faire croire à la face du monde qu'il est le seul patriote parmi les dirigeants politiques. Or, ces derniers ne sont pas venus pour l'instant. Ils ne sont pas présents à Moscou, à l'exception de Mohamed Ben Salman, dont l'équipe a été lamentablement battue. La morale aurait voulu que Macky Sall attende d'abord que les Lions de la Teranga soient présents aux demi-finales, au moins. Et encore, c'est discutable parce que frais yi dafay bari te ndax day 10 ci poosu sénégalais sénégalais ñukoy fay maki yoonam neeku ci ndax xaliss bi mu du ko xamnañ fim ko xam ngeen ne lolu baaxut lolu mo ne l'oiseau de mauvais augure ou l'éternel pigeon voyageur dans les airs n'en a cure n'a rien à cirer n'en démord jamais dépensant sans compter jouit du pouvoir ne vise qu'à engranger les dividendes politiques de bas étage. Madame, le but recherché est que les médias de la Sarabande relaient et labellisent l'image d'Épinal décriée sur la scène internationale à la seule fin de croire redorer son blason terriblement écorné. On peut s'attendre raisonnablement qu'il fasse nécessairement un détour immanquable à Paris, son passage obligé Waye li nga xamné muy le meurtrier de Fallou Sen, bien connu ak ñom Bassirou Faye yal leen yalla xaré aljana te gis nañ ko ci Fatou Matar Ndiaye Macky se promène librement comme si rien n'était manam la spécialité criminelle muy bi nga xamné le régime fantoche pourri donneur de leçons manam day agir sans éthique ni équité si complet dans la bassesse te loolu li koy wund moi l'ASP agent de sécurité de proximité nga xam ne dañu violer nit ñi te alors que armée bi nek fi xam ngeen ne loolu manam mbirum say say la ndax finalement mbir mi dafa bari erreur yi dafa bari dysfonctionnement yi dafa bari waye duñ ci te kenn waye li nga xam ne moo ci gën a doy waar grâce présidentielle nga xam lors des fêtes religieuses maanaam Birmi, mi ko un instrument politique au service du despote mercenaire encombrant ndax li nga xam ne depuis sept ans la salle politique de Kumba Amdai ak Kumba dirigée et diligentée par le premier bandit de la République de la Rakaï, en bande organisée et sa cohorte de ramassis sème la pagaille et la terreur ndax dañuy agir tous euh, euh, euh, contre tous et sans fois ni loi depuis le 25 mars 2012 et sans répit le premier bandit ou l'homme du foutoir et des galéjades désigné à la fois le braqueur électoral et le caniche de l'Occident maanaam moo le plus sûr larbin en Afrique nga tenir sa justice en l'Est bo xamné qui s'exécute pitoyablement sans broncher ndax dañuy wéy ci ndigal kon démocratie amu fi justice amu fi euh, euh, rupture mosu fay am en tout cas tay jii la ndax sun réew mi dafa deux types de citoyens qui s'opposent manam le premier pour un oui pour un non pour qu'il soit suspect dañ koy cueillir manu militari nga des bénéficié bénéficier ipso facto d'un mandat de dépôt immédiatement sans qu'il ait la possibilité de se défendre tandis que le deuxième le second y bénéficier de facto de passe droit tant que nous sommes dans l'état à muy grâce à ces largesses incommensurables du chef de l'exécutif nga xam ne la parce que il est juge et parti nous sommes nous avons appliqué à eux-mêmes l'adage selon laquelle nga ont ne la branche sur laquelle il est assis lors le fi le parti la paire, c'est le plus minable en termes d'adhésion et de programme cohérent Comme quoi fait ku qu'attendent donc les deux personnages singuliers symbolisés respectivement par les soi-disant procureurs Serine Bassirou et le juge Massamba Sall pour pour saisir et fouiner et enquêter avec fracas de façon libre et diligente sur la prétendue fondation nébuleuse. Oui, la fondation bidon servir le Sénégal pour asservir le Sénégal. te loolu mbir de un instrument de domination et de propagande cataclysmique indigne pour les beaux yeux d'un couple de malfaiteurs organisés en association de terroristes à l'appel l'objectif majeur ne vise qu'en transvaser et blanchir par la ruse des milliards de francs CFA Nous pouvons blanchir yoo xam de terre on ne sait où ou comment nga pouvons détourner Khalisbi à des fins professionnelles politiques voire même personnelles nga pouvons nous dañ def à la disposition de Mariam Faye Nous pouvons ne ki koy la disposition Macky Sall li Mariam Faye est-ce que exemplaire est-ce que est-ce que exemple la ndax Tu ko xamné da ngay porter des cheveux de cadavre d'indienne sur sa tête pour paraphraser Bernard journaliste bu nek ci Afrique Monde Taman te ci la femme fatale au culte de la de la personnalité et de et de l'idolâtrie et de la démesure pour exister les cervelet madame qui est incarté à la peau blanche bon teint tente de compenser cet art abyssal qui lui colle à la peau nga Mouy qui se réfugie derrière euh, madame qui la aussi des réfugiés outils, derrière des lunettes noires fumées avec des parures ostentatoires et attentatoires et ce n'est pas tout puisqu'ils s'autorise des sacs valant la bagatelle de plus de 19 000 euros pour une femme si pauvre, très pauvre, même hier. nga savez, Mariam Faye et Macky Sall tiré le diable par la queue Vous tey fi mu nekk dañoo de ndax vivre dans les quartiers populaires de la capitale sénégalaise évidemment elle a la mémoire courte euh, tout comme son époux nga savez, que Macky Sall un dafa fuuy kon Macky dafa mel dafa naan le calice jusqu'à la lit te Macky moy élagué di non seulement toutes les libertés d'expression indispensables Voyez mon maki Sall foule du pied le premier droit d'un peuple ndax de réduire de façon drastique toute démocratie et toute opposition mou réduire à sa plus simple expression nga ramener toute capacité de résistance qui lui font de l'ombre daf koy xam le ridicule ne tue plus dans notre pays étrange et à la renverse circuler il n'y a rien à voir et romper les rangs Madame Mariam Faye quelle image renvoie-t-elle à la jeunesse africaine féminine sénégalaise la question se pose à qui la faute évidemment nous sommes mal barrés lorsque nous avons des élites complexées nègres nègres nègres de nègres de service de la tête aux pieds de la trempe de Macky Sall et Alassane Ouattara et compagnie où le modélisme des racailles unifiées accroupi à l'échelle supranationale africaine, comment voulez-vous que le reste du monde nous respecte Madame, ce qui est désormais dénommé pompeusement la première dame affreuse, la femme fatale, aux vertus peu orthodoxes, ou l'apanage étrange, guichet automatique, curieusement, n'a aucun poste officiel au regard de la Constitution moribonde. Voyez Mariam Faye d'agir ouvertement sous la barbe de la justice avec la complicité directe de son mari, lequel paraît peu regardant, se passe allègrement tout et se substitue éperdument de l'État receveur. Mariam Faye collectionne à longueur de journée, à tour de bras, des milliards de francs CFA et des cargaisons de dons de matériel de toutes sortes de la part des états donateurs à longueur de journée kon procureur de xaar ils sont Madame, en vérité nous avons affaire à un couple maléfique de wrestlers nés chapardeurs dans l'âme jusqu'à l'abysse excellent dans l'art de blanchiment d'argent ténébreux en continu chaque jour que Dieu fait avec son lot de fadaises grossières, empilées les unes après les autres. Car la vraie présidentielle réelle, madame, euh, madame son mari a, abdiqué. Évidemment, euh, euh, Marianne Fay prend des galons, a fait parler d'elle, a de distribuer sans compter des, des quantités industrielles de chèques innombrables, ignobles, au nom d'un altruisme miraculeux, baroque, suffisant, suffocant à couper le souffle. Madame, les fins d'année des hystériquement la chronique de la part d'une certaine presse farandole monopolisée corrompue alignée par le pouvoir torsionnel, calamiteux se charge lamentablement de relier la propagande de piètre qualité Voyez, Mariam Faye qui se proclame bassement le symbole de la baraka imaginaire Madame Dengistan, Madame, Tadefkoïdef, sous l'œil de la caméra qui se promène Madame, tape l'œil Madame, caméra yi dañuy immortaliser soi-disant Madame, li lañ fi gis immortaliser euh, le spectacle permanent sous le fallacieux prétexte de la bienséance ou d'un humanitarisme repoussant nga Mariam Faye de Yonis sa tante interposée Madame, un chèque de 3 millions de francs CFA libellé euh, au nom des parents du nouveau-né Madame, qui est très complet Madame, comme un effet de boomerang euh, la poussette les poussettes et les couches pour bébé s'amoncellent pour une période d'au moins de deux ou trois ans Madame, la recherche de la machine ordurière clientéliste de la corruption généralisée à haut, à haut débit n'y va plus sur le dos de la cuillère ndax ñooy parrainé Madame, de nous avons lu leen neex def te une supercherie gouvernementale ethnique familiale de la Rimbambelle n'y a ni plus ni moins té loolu wax dëgg yàlla il faut que ñu ñu wax ko ci kaw voilà donc en continu manam Mariam Fay, manam dafa nekk manam un prête de la paire bo xamné finalement dañ koy def pour ñu animer la campagne électorale qui est totalement déloyale et décousue nga xamné ne Macky moo doon wax né buñ ko joxé caabi réew mi di sumi sa casquette en tant que secrétaire général muy himself en chair et en os nga un euh, en fait day ne day des leçons de moralité mu neuy te finalement le régime pantouflard nga le plus scandaleux le plus long le plus ordurier de toute l'histoire du Sénégal que nous ayons connu à ce jour malgré l'abondance du tapage médiatico-politique en inflationniste nga y fait mbir surréalisme mortifère à l'indécence té lolo lañ fa gis té li nga xamné les 12 milliards de francs CFA yi nga a ne versé SA euh, euh, euh, nga milliards il tàbbi ci association selon le journaliste d'investigation Baba Aydara lolo loolu wax il le décret qui font, qui enfonce Macky Sall et Aliou Sall Madame le frère de Macky Sall madame un journaliste Nek dara un journaliste de nom Nek maire de la ville de Guédiawaye De banquier de te directeur à la fois Madame directeur général de la caisse de dépôt et des consignations ndax avons remplacé Thierno Nyan. Madame te Alusal, administrateur de plusieurs sociétés d'écran dont Sahel Aviation domiciliée aux États-Unis finalement un prête-nom le document publié par le journaliste d'investigation Baba Aydara le prouve en date du 5 juin 2012 comme procureur lui, Serigne et le juge Massamba Sall finalement contrairement à ce que l'on pense celui qui tient la presse et la justice que le seul procureur Madame, il est inacceptable dans un état de droit qu'un chef de parti fût-il un président de la République puisse s'arroger l'impunité Manam de détourner les deniers de l'État nga xamné utiliser par devers et librement sans contrôle nga xamné moy contrôler ñep nga xamné une structure présumée philanthropique est-elle en réalité dans les faits accablant un outil politique bo xamné manam manam daf koy def ci ndigalu Macky Sall nga xamné ne lu ñu mën wax moy manière yiñ koy défé dafa nek des manières euh, ostentatoire et attentatoire nga xamné échappé tout le kon procureur bi lan lay sur l'affaire scabreuse qui implique l'argent russe Madame campagne électorale bi donné jox Macky Sall un million cinq cent mille euros pour épingler le salgate et jackpot père et fils si Macky n'a rien à se reprocher on peut se demander pourquoi il refuse de livrer Massata Jack à la justice française pourquoi l'arroseur arrosé traîne-t-il donc les pieds pour livrer le colis encombrant ndax lo mi ngi le scandale du secret de l'autoroute à péage à Dakar Diamniadio et ses zones d'ombre bruyant Madame, le groupe FH a empoché 148 milliards de francs CFA s'octroie librement un marché de 30 ans pour un tronçon de 20 km Pikine Djamnyadjo pendant ce temps sur l'affaire Karim Wade l'État du Sénégal doit porter plainte contre le fils de son euh, contre le fils de son père à Paris et le tribunal de Paris doit débouter plus d'une fois euh, euh, l'État du Sénégal Madame, tu es de ci Khalifa Sall aussi il est toujours en prison pour escroquerie et détournement d'un milliard 800 francs CFA li Macky la caisse d'avance sans s'enrichir même personnellement waaye c'est justice bi yoonoom nekku ci ndax li nga xam ne que la Mariam Fadi def kenn du ko gis waaye li ci gën doy c'est la cour de répression de l'enrichissement illicite elle la créé, bi nga confié confier à Abdoulaye Silla, l'administration provisoire de AHS nga a basé les îles Vierges britanniques Madame la crise dañuy traîner et madame euh, Abdoulaye Silla de euh, Abdoulaye une ardoise de plus de 800 millions de francs CFA ndax li nga xam ne c'est ci su finalement le prénom de bu doomu nous nous mënu les monarchies saoudiennes moyen-orientales Madame Abdoulaye Silla, madame ne s'inquiète pas outre mesure nga xamné ne Koudou Ndiaye ak Omar Ag, nga xamné directeur du Koudou, deux apéristes chevronnés à l'appel nga xamné pour ne citer que cela Madame dañuy bénéficier incontestablement d'un soutien massif de la part du chef de l'exécutif te lolu buñ ko sétlo ba sétlo ko deux poids la ak deux mesures ak te lolu c'est étrange te lolu nang koy dingal. ndax li ci gëna doy war moy les éternels tripatouillages des institutions étrangères pensées par les mêmes nga xamné ne yi diko daganal manam ki nga un des pylônes de la France-Afrique moy Alassane Ouattara manam son acolyte pédigré et compagnie tous sont soumis ne visent qu'à confisquer durablement le pouvoir par la ruse manam qui peut compter les coups d'État permanents de la part du symbole maléfique pour la unième fois et à quelques encablures des cirques électoraux en bande organisée qui 2019 ndax mi ngi ci ndax il faut que ñu jël le personnage singulier atypique entre avec fracas et de plein pied dans la cour des dictateurs voleurs autocrates incorrigibles à l'échelle africaine francophone restent tous des asservis nga xamné te li koy symboliser euh, l'inimitable en place et cervelé au Sénégal au cœur de l'État n'a rien à envier à Paul Biya nga xamné ak Alassane Ouattara te Macky Sall lu ñu wax il est pire que l'octogénaire maître du Cameroun nga xamné ne muy Paul Biya nga xamné confondre sa poche et celle de son pays te lolu Macky Sall def nako manam li nga xamné mo ci nekk ci en Afrique des 14 pays assujettis les intérêts colonialistes moribonds ne doivent pas être supérieurs à ceux de la nation sénégalaise te loolu wax il faut que ñu corriger le meurtrier de Faloussen est connu Il court toujours Il a échappé miraculeusement par hasard à la justice euh, injuste Il circule en toute impunité Les Khalifa Sal, Karim Wad sont bannis sont parce que ñoom présents. Euh, ñoom waruñoo présenté waaye ñi nga ñoo ci Macky dañ protéger lool moy corporatisme ethnique te lool normalement dans un État civilisé, quand le criminel est désigné et connu dans un État de droit, madame Koko, vous passer la nuit chez lui. voyez, apparemment, il n'en est rien. du moment, lorsque j'écrivais que deux procureurs factices au secours de Macky Sall, Sénégal, c'est l'unique pays au monde où le, où le meurtrier de l'étudiant Falloussen qui a été criblé de balles réelles de bénéficier incontestablement d'une protection divine politique au plus haut sommet de l'État la justice de Carpe euh, se dégonfle honteusement dans des traîner les pieds C'est ce que nous devons doy démission du ministre du tourisme sur le scandale du Prodac du comme en séparation des pouvoirs mon Madame, je ne sais pas si euh, Mamba Ndiaye a démissionné Macky a fait de façon d'urgence pour réunir euh, le conseil des ministres bidon pour affaire ou euh, Mamba Mbaye a été mouillé jusqu'au cou ingérence la dictature la obstruction la totale et entrave à la justice trafic d'influence trouble à l'ordre public ndax Macky de koy pour éviter des poursuites généralisées à l'encontre de sa marionnette nga xam Maki, le premier suspect nga finalement Macky ci loolu la nek. ndax Macky képp ko xam nek nga ci APR euh, même loo mën a def yonum nekku ci loolu bokk na ci les méthodes fascistes comme système de gouvernance bancale Waye Macky Maki ne faire le faire le procès de Mame Mbaye portant sur plus de 29 milliards en toute logique et celui de son supérieur désigné Moui Macky Macky Sall moo mu ne du ko xam ngeen ne justice amu fi kon li nga xam dal mo ci nek pour qui donc se prend le ministre du tourisme pour choisir les corps de contrôle institutionnel qui doivent trancher l'entendre te li nga xam mo ci nek le rapport accablant de l'IGE nga nous ñu def ko sur le product de accabler le ministre Mame Niang nga nan n'en déplaise à lui et celui qui l'arnache moy Macky Sall xam ne finalement suñu réew mi day gëna a dellu kon il faut que ñu sét menen pexé bo xamné mo gëna gën gaaw ndax carte yi du ko fi jëlé ndax badolo bi yonom nekku ci te day tarbu extérieur manam l'opinion de la communauté internationale ñoy obs ñooy wu ci euh, euh, euh, l'ensemble des sénégalais té lolu il faut que ñu jëlé ko fi tant que jëlee ñu ko fi dara nu mëna xew kon vous gagnez, je vous rendez-vous à bi di inshallah, à travers les ondes de notre radio Sunker FM la première radio panafricaine nek Los Angeles mou sunu radio exceptionnel bou magui de renommée internationale et merci.